le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Bienvenue dans le forum du Studio Kalangou qui porte aujourd'hui sur le sport féminin. Qu'est-ce qui bloque son développement au Niger Le sport, c'est l'ensemble d'exercices le plus souvent physiques se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions. De nos jours, les femmes s'intéressent également au sport longtemps réservé aux hommes, mais contrairement à d'autres pays, le sport féminin tarde toujours à connaître une éclosion au Niger. Qu'est-ce qui bloque donc le développement du sport féminin au Niger C'est la question principale autour de laquelle nous débattrons pendant 45 minutes. Avec nous dans ce studio, Madame Amina Moussa, elle est présidente de la commission de football féminin du Niger. Bonsoir, Madame. Madame Isaka Aissata, secrétaire générale de la Fédération nigérienne de handball. Bonsoir. Et mademoiselle Rahina Moussa, elle est une jeune footballeuse, la capitaine de l'équipe euh, féminine MENA nationale. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. À la présentation, fils Adam Sirfo. Merci, chère dame, d'avoir accepté notre invitation, mais avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, je vous propose d'écouter M. Silimana Mohamed. Il est ancien journaliste sportif et actuel secrétaire général de la Fédération nigérienne de football. Il nous retrace un peu les débuts du sport féminin nigérien et dresse une situation de ce sport. On l'écoute. Le sport féminin au Niger euh, a suivi un peu euh, une progression, j'allais dire, euh, naturelle par rapport au sport en général. Évidemment, euh, avec une évolution qui n'est pas à comparer parce que malheureusement, comme vous le savez, le sport féminin a connu quand même un certain retard par rapport euh, à son homologue masculin. Quand mm. on parlait euh, de sport au Niger, pendant très très très longtemps encore, euh, le sport ne se conjuguait pas au féminin, si vous mm. me permettez cette expression. Mm-hmm. Mais après, je crois qu'il y a eu des pionnières qui ont osé franchir le, Rubicon et qui lui ont permis de faire comprendre la gente féminine. Elles peuvent être également des sportives à, temps plein, comme leurs collègues masculin. Oui, des pionniers comme bon, euh, ça a été quand même ça a été quand même balbutiant. Par exemple, euh, au niveau de l'athlétisme, une femme comme Moutila Moumouni, quand même, a joué un grand rôle dans la prise de conscience au niveau des jeunes filles euh, au niveau de l'athlétisme. Vous savez que l'athlétisme est un sport qui est très, très, très contraignant. un mhm. sport qui est, qui est très noble, même au niveau international. Amatoulaye Moumouni a osé vraiment euh, faire euh, exactement. Elle a fait reculer ces, barrières. Elle a, elle a, elle a fait prendre conscience aux jeunes filles notamment qu'elles peuvent se lancer comme elle dans cette carrière de, de sportive, d'athlète et de, sportive en, en général. Bon, il y a également au niveau du football des grandes dames comme celle qu'on appelle affectueusement Philly, Philly euh, qui était très très proche du national, qui, hmm. qui était également des pionnières en ce qui concerne le football féminin. Mhm. Il y, a, plein d'autres que j'oublie sans doute. Et franchement, mais bon, malheureusement, il faut le dire, euh, vous connaissez le, le contexte socio-culturel en fait mhm. que euh, ces dames, le plus souvent, se sont senties vraiment un peu seules, pas soutenues. Pendant très longtemps, on avait pensé que le sport devait être réservé uniquement aux hommes. Donc, il fallait vraiment s'armer de beaucoup de courage pour euh, pour se mettre, excusez-moi, en culotte ou en, en, en survêtement, mm. en, en t-shirt, pour euh, devant les foules euh, pour pratiquer le sport. Mais depuis quelques temps, je pense qu'il y a une évolution très très très positive qui fait que euh, il y a eu un, développement même si il demeure encore vraiment, comment dire, demeure encore embryonnaire. Le sport féminin est en nette évolution, si on peut le comprendre. À la date d'aujourd'hui, quelles sont les disciplines sportives dans lesquelles les femmes excellent au Niger Excellent le plus, si on peut le dire. Oui, je crois que dans plusieurs disciplines, maintenant, vous voyez, les femmes, elles ont franchi les portes, elles ont poussé les portes. Elles sont en train de s'imposer dans plusieurs disciplines. Regardez le sport de combat. Vous allez trouver beaucoup de filles euh, qui, qui, pratiquent le taekwondo, par exemple, ou le judo, ou encore le karaté. Vous, venez au sport de main comme le handball ou le, le volleyball et, les autres sports collectifs comme le football. Euh, vraiment, en athlétisme également, il y a toujours cette présence avec la tête de Gondol qui se trouve à scène que vous connaissez parfaitement, qui était à un doigt de nous procurer beaucoup de bonheur aux, derniers Jeux africains et même euh, au championnat du monde d'athlétisme. Euh, je pense que les filles sont présentes un peu partout maintenant le sport n'est plus l'apanage des hommes. Mhm. les filles sont en train de, pousser, de, s'imposer. C'est peut-être timide encore, mais c'est vraiment réel, c'est méritoire. je pense qu'on peut dire avec un peu de soutien, ça va être le sport euh, de l'avenir. D'accord. Euh, les pesanteurs sociales, vous en avez fait cas euh, plus haut. à part ces pesanteurs sociales, selon vous, qu'est-ce qui bloque vraiment le déclic du sport féminin au Niger c'est vrai, les présenteurs sociales sont encore importantes, et c'est vraiment pas demain la veille qu'on va s'en débarrasser. Mhm. Mais de façon générale, il n'y a pas que ces présenteurs. Le football, le, football, le sport féminin en général, comme le sport tout simplement, il souffre de toutes les tares et de, toutes les lacunes que vous pouvez imaginer de façon générale. Mais c'est quoi C'est un problème d'infrastructure. Est-ce que nous avons des infrastructures adéquates Vous prenez un terrain vague dans la rue, les, garçons peuvent jouer euh, facilement sans aucun souci. Mm. Mais c'est pas évident pour les filles. Est-ce qu'il y a des vestiaires appropriés mm. où elles peuvent se changer au, euh, à l'abri de regard euh, Elles peuvent se mettre à l'aise et venir pratiquer leur football. Il y, a, beaucoup de choses. il y a aussi tout le soutien financier qui accompagne parce qu'il faut faire beaucoup de détections, beaucoup de tournois, etc. etc. Mm-hmm. Donc euh, voilà un peu ces écrits qui freinent, j'allais dire, l'évolution du sport en général et du sport féminin en particulier. C'était là Silimana Mohamed, ancien journaliste sportif et actuel secrétaire général de la Fédération nigérienne de football. Il nous a retracé un peu les débuts du sport féminin nigérien et il nous a fait un point sur la situation actuelle de ce sport au Niger. Madame Amina Moussa, vous êtes euh, la présidente de la commission de football féminin, féminin du Niger. Je commence par vous. Alors, euh, merci d'être euh, venue. Euh, vous venez d'écouter l'intervention de M. Silliman. Quelle réaction cela suscite en vous Et Il a effectivement, il a retracé donc, de façon, je pense, exclusive donc, euh, la situation du football, donc du sport en général, effectivement, mhm. donc, euh, au Niger. Par rapport à la gente féminine, effectivement, il y a beaucoup de blocus, il y a beaucoup d'obstacles donc, qui empêchent donc, aux jeunes filles, effectivement, d'exercer mhm. donc, leur passion. Donc, effectivement, il a parlé de pesanteurs socioculturels. on ne peut pas s'en débarrasser, comme il l'a dit, mais effectivement, il y a les moyens effectivement, qui manquent cruellement. Comme je le disais, vous êtes la présidente euh, de la commission de football féminin au Niger. Le football féminin, on le sait, est l'une des disciplines euh, sportives pratiquées à ce jour par les femmes. Revenons sur l'avènement de ce sport, Madame Amina, au Niger. Comment les femmes se sont-elles lancées euh, dans le foot si on sait que c'est un sport réservé aux hommes Bon, <coughs> c'est que c'est à partir de 2016 cas que la pluie, ça nous vole. Mais avant cette période, il y avait quand même les initiateurs. Il y avait, je me rappelle, dans les années 2010-11, mhm. il y avait quand même des professeurs de CEG, c'était au nom du Sainte, et dans l'incontournable d'Anthony quand même, qui est impuni quand même dans le football féminin. Et on ne peut pas parler de football féminin sans parler d'Anthony. Parce que, effectivement, la jeune féminine qui est actuellement la plupart qui sont au niveau du MENA, c'est le fruit de ce travail. Donc, je sais pas, nous étions niveau de Et donc, moi, j'avais quand même un groupe donc, euh, des enfants défavorisés que j'ai pris en charge et que, avec lesquels j'ai formé une équipe de football. Donc, il y avait donc sept clubs. Donc, les six clubs étaient au niveau de, de collège. Et le septième, c'était donc l'équipe que j'avais en charge. Donc, c'était des trucs donc, euh, non, officiels. Donc, nous nous arrangeons à trouver donc, des financements. Des clubs de quartier. Le club, entre guillemets, issu des écoles. Voilà. C'est des écoles. Donc, c'est au fin des écoles que les entraîneurs d'EPS ont formé des équipes féminines. Hmm. Donc, le seul club, c'était celui auquel j'ai donné donc, ma, mon parrainage. Voilà. Maintenant, donc, au fur des années, en 2016, maintenant, effectivement, avec euh, l'aide de la fédération, on a pu, donc avec le tournoi TIFO qui se joue au, à Ouaga, donc vers la première équipe à Essinami. Donc c'est là qu'on a débuté donc à, participer chaque année au tournoi donc de Tifo. En 2016, vous dites, ce n'est qu'en 2016 que le football féminin a pu vraiment euh, être bien connu. Comment l'équipe a vu le jour en 2016 Quelles étaient les joueuses Est-ce que ce sont les joueuses de ces quartiers-là que vous avez euh, réunies ou bien comment le groupe, euh, l'équipe s'est formée le, la première participation en 2016, c'était avec Monsieur M. Dantani, dont je vous ai parlé, effectivement. Donc, celui qui avait conduit l'équipe donc, au niveau donc, de ce tournoi. Effectivement, donc, il a sélectionné ses joueuses dans les différents collèges. Mm-hmm. Donc, les équipes qui étaient sur place en ce moment, c'est eux qui étaient l'ossature donc de Lassignami pour participer à ce tournoi de Tifo à Ouagadougou. La plupart des joueuses sont là, effectivement, qui continuent à pratiquer leur passion. Effectivement, ils sont là, c'est fait partie de. <laughs> Mademoiselle Rahina, voilà. Eh, ok, merci à vous. Et Madame Isaka euh, je reviens vers vous. Vous êtes la secrétaire générale de la Fédération de handball. Le handball, euh, qu'en est-il de ce sport euh, ici au Niger euh, Comment il est, évolue Merci beaucoup Nafisa de l'opportunité que vous nous offrez pour parler de notre discipline mhm. qui nous tient beaucoup à cœur. Le handball, je dirais que c'est un sport de main pratiqué par les hommes et par les femmes. Donc le handball féminin du Niger est dans les années 90, 92, allait très bien. Après, il y avait une léthargie jusqu'à l'arrivée de la nouvelle fédération qui est actuellement en place, où le bureau actuel a pris les choses en main et on est reparti, on avait une nouvelle vision de la chose il fallait qu'on retourne à la base. Là, on a créé des centres de développement de handball où on faisait le recrutement au niveau des établissements scolaires. Qui dit à la base, donc c'est vraiment des, élèves et puis les pépinières, c'est généralement dans les établissements scolaires. Donc on a créé des centres qui sont mixtes, il y a et les filles et les garçons. Et donc, à la date d'aujourd'hui, le Niger dispose d'une équipe féminine qui, la représente même à l'international il, y a deux mois de cela, nous avons accueilli, le Niger a accueilli les 15e et 22e championnats d'Afrique Mhm. des nations en cadet et en junior. Mhm. Et là, le Niger avait présenté ces deux équipes, et en cadet et en junior. Mais malheureusement, les prestations n'étaient pas bonnes. Les mhm. prestations n'étaient pas bonnes parce que les équipes n'étaient pas à la hauteur. Donc, c'est des, des, jeunes filles que nous avons pris il y a trois ou quatre mois pour les vraiment préparer pour gagner et l'organisation et peut-être réussir dans la compétition. Mais malheureusement, dans la compétition, ça n'a pas marché, comme je vous ai dit. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché Mais Les résultats étaient là. En cadette et en junior, l'équipe du Niger a, occupé la dernière place. Mhm. Donc pour nous, vraiment, c'est un échec. C'était un manque de formation ou je ne sais pas quoi d'entraînement Oui, par rapport aux équipes qui ont participé, c'est vraiment une très jeune équipe qui n'a pas de l'expérience. Parce que même si tu t'entraînes, tant que tu ne fais pas les compétitions internationales, c'est vraiment c'est difficile à gérer. Donc, on a constaté que ces équipes-là avaient des défaillances. Et mhm. au sorti, en, plus de, des centres que nous avons créés, on a créé encore, après le championnat, des écoles de développement de handball. Là, on a spécifié uniquement chez les jeunes filles. Mhm. Les jeunes filles de, de, quel âge De 12 à 13 ans. Et là, on va les prendre elles seront à minime quand elles vont commencer à savoir ce que c'est que le handball, parce qu'on a pris vraiment des débutantes mhm, mhm. qui n'ont même pas la maîtrise du ballon. Donc quand elles vont commencer à connaître ce que c'est que le handball, les BABA, on va les orienter dans les centres. Mhm. Et là, avec un suivi, on ne dit pas que d'ici l'année prochaine, on va participer au même championnat d'Afrique, mais à moyen terme, on peut s'attendre à un résultat meilleur que celui-là. D'accord. Et ces jeunes-là, comment ils ont été sélectionnés même pour faire partie de cette équipe si on, si on dit catégorie, il y a des tranches d'âge. Voilà. Donc, dans les tranches d'âge, au niveau des centres et des équipes même, de toutes les huit régions, au sortir du championnat national, il y avait une présélection mhm. de 22 joueuses. Maintenant, ces 22 joueuses-là, on les a convoquées en équipe nationale. Elles étaient venues, elles ont suivi des entraînements. Et à la veille de la compétition, on a sélectionné, au lieu de 21, on a sélectionné 16. Mhm, mhm. Et c'est ces 16-là qui ont été travaillées jusqu'à leur participation au championnat. Merci à vous, mademoiselle Rahina euh, Moussa. Euh, vous êtes une jeune footballeuse qui excelle dans l'équipe nationale féminine euh, MENA Niger. L'équipe qui a d'ailleurs euh, plusieurs fois représenté, si on peut le dire, le Niger à des rencontres internationales. Alors dites-nous, Regina, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le football Bonjour, je mhm. me présente Regina Moussa capitaine de l'équipe nationale du Niger. Moi, j'ai commencé à jouer le football depuis que j'étais petite. Depuis quel âge depuis que j'avais 6 ans, 7 ans comme ça. Mhm. j'ai parmi les, garçons euh, dans notre quartier. Donc, euh, c'est là qui a fait en sorte que aujourd'hui je suis devenue joueuse. Dès le bas âge, si on euh, peut le dire. Voilà, dès le bas âge. Bon, avant, je faisais l'athlétisme. Mhm. L'athlétisme et le taekwondo. Hein, c'est après, c'était en 2007 et j'ai joué pour euh, le Suez aéroport. Mhm. Donc, euh, mon entraîneur, ils ont, ils ont cherché des joueuses. Il y avait un stade là, on devrait participer à une compétition mhm. à Ouaga. le tournoi international du football féminin. D'accord. C'est un stade là on a fait appel à des joueuses. Donc moi j'ai été de la présélection. Donc c'est ma première compétition en 2007 où on a représenté le Niger. D'accord. Avant d'arriver à ces compétitions, dis-nous d'abord comment tes parents ont pris euh, cela, une jeune fille qui joue du football, une jeune fille footballeuse. Comment, quelle était leur réaction En tout cas, pour moi, ça a été difficile mhm. parce que mes parents ne veulent pas assez que je joue au football. Donc heureusement, c'est aussi aujourd'hui je suis devenue footballeuse, c'est à cause de ma grand-mère. Mhm. C'est elle, qui m'a beaucoup encouragé Voilà. Parce que quand je partais au terrain, même euh, au retour, ma maman me frappait. mais malgré ça, tu euh, j'ai gardé l'espoir, j'ai continué. En cachette Oui, oui. Voilà. <laughs> j'ai continué. Donc, euh, c'est grâce vraiment à ma grand-mère aujourd'hui que j'ai réussi. Elle est vivante, la grand-mère Oui, oui, elle est vivante. Elle est fière de toi Oui, en tout cas, elle est Aujourd'hui, tu es l'une des joueuses, tu es même la capitaine de l'équipe euh, féminine MENA nationale. Euh, comment tu as pu intégrer cette équipe Vraiment, c'est, moi, je peux dire que c'est grâce à ma performance. Parce que j'ai été polyvalente dans le domaine sportif taekwondo, football, athlétisme. Mhm. Mais à cause du football, là, j'ai laissé les autres sports pour évoluer dans le football féminin. Je vais revenir vers toi. Euh, Madame euh, Aïsata Isaka, je reviens vers vous. Vous êtes la secrétaire générale de la Fédération de handball. Euh, pour revenir un peu sur le parcours des équipes féminines, est-ce qu'ici à Niamey, elles ont même un cadre de rencontre pour leurs entraînements Oui, notre fédération est structurée. Nous avons des clubs, nous avons, nous avons d'abord des ligues, des districts. Donc au niveau de, de, la ville de Niamey, il y a des, des, clubs qui participent à des championnats, des tournois, des présidents, des présidents, tout, tout ça là. Donc c'est vraiment un cadre approprié. Au niveau de chaque club, ils ont leur organisation. Mhm. Ils ont des jours d'entraînement les filles là, elles vont au niveau de leur club, elles s'entraînent. Mhm. Donc l'entraînement au niveau du club là seulement ne suffit pas. Ça c'est en, général. Mhm. Je dirais que il faut l'engagement, un engagement personnel. Même si je vais, je m'entraîne dans le club. Nous à l'époque quand on jouait là, il suffit qu'on regarde un match pour voir une action d'un joueur pour, euh, que le lendemain, au lieu d'attendre 16h ou bien 18h pour venir au terrain, mhm. à 13h déjà on est au terrain. Mhm. Maintenant on a la balle à main, on essaie de faire le tir en suspension, on essaie de faire le tir dans la foulée. Maintenant, c'est cet engagement-là que les sportifs, les jeunes de maintenant n'ont pas. Ils ne sont pas mhm. très engagés. Parce que nous, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, tu vas vouloir faire mieux que lui. Donc, en plus de l'entraînement, des entraînements des, des, des encadreurs, on essaie nous-mêmes de s'auto-encadrer et d'apprendre. Et le plus souvent, on demande même aux entraîneurs ce un tel a fait là. J'ai essayé de faire, j'ai pas pu. Pourquoi j'ai pas pu faire ça mhm, mhm, Peut-être mhm. l'entraîneur va me dire en, prenant la balle ou bien en amenant ta balle loin ou bien en partant sur le pied gauche, tu vas faire mieux que lui-même. En tout cas. C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas. Et, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre fédération vraiment pour booster ces jeunes-là Qu'est-ce que vous faites euh, au niveau de votre maintenant, au niveau de la fédération du handball, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a créé des centres de développement. Et puis, oh, on est en train de miser sur les entraîneurs féminins. Récemment, nous avons envoyé une entraîneur, une jeune dame, pour suivre un stage mhm. d'entraîneur. Ça, c'est un encouragement. Et puis, nous avons des, parmi les entraîneurs nationaux aussi, nous avons des dames. Mhm. Donc, la présidente de la fédération même est une dame. La secrétaire générale, elle est une dame. Mhm. À l'époque, quand nous, on jouait les premiers matchs pendant la haute chaleur, là, c'est des matchs féminins. Nous, on a mis fin à ça en fonction du calendrier ou bien du tirage, si c'est un match masculin qui doit commencer, il commence. Si c'est un match féminin qui est placé à 18h, c'est à 18h. Mhm. Donc le tabou là, on a cassé. Et puis quand, à l'époque là, quand il y avait un championnat, vous allez voir deux coupes. En le couple, vous allez comprendre que la petite coupe là, c'est pour les filles et que la grosse coupe, c'est pour, les, hommes. Nous, maintenant, chez nous, au handball, on a arrêté. Ces C'est deux grandes coupes, c'est deux moyennes coupes, c'est deux petites coupes et puis c'est la même chose. Vraiment, nous, on a cassé ce mix. Et, est-ce que le Niger euh, a plusieurs fois été représenté à l'international euh, par ses équipes euh, féminines en tout cas, ces les équipes féminines, dans le temps, avaient participé aux compétitions internationales, au même titre que les hommes mais mm-hmm. des résultats pour dire qu'on a eu les trophées ou bien non, non on n'a pas encore eu des, Mais quand même, on a fait des belles prestations. Même récemment, on a fait un championnat national. Mm-hmm. Toutes les régions en dehors de Difa et Agadez avaient participé. Et puis, au sortir de chaque compétition, il y a des tournois, c'est classé du premier jusqu'au dernier, c'est des trophées. D'accord. Merci à vous, Madame euh, Amina, la présidente de la commission football féminin du Niger. Euh, l'équipe euh, féminine du MENA Niger, comment les joueurs s'entraînent, comment se fait la préparation avant une compétition Comment ils se font hmm, Avant une compétition, euh, l'entraîneur, donc euh, sélectionne ses filles. Il y a un appel. Donc, des différentes filles qu'il a identifiées, qu'il juge aptes donc, à participer, à intégrer l'équipe nationale. Hmm. Donc, elles viennent en regroupement. Donc, la première phase, donc, elles viennent à partir donc, de 15h30. Elles commencent leur entraînement. Maintenant, à l'approche donc, de la compétition, il y a une mise au vert. Donc, toutes les filles donc, euh, qui ont été convoquées viennent à l'internat. Voilà comment s'est fait la préparation donc, au niveau de l'équipe nationale. Hmm. Vous pouvez nous donner quelques exemples de, compétitions euh, auxquelles l'équipe a eu à participer à l'international Bon, le, le, MENA féminin a participé donc à deux compétitions majeures, indépendamment donc du tournoi de Tifo. Mhm. Donc chaque année, il participe. donc il y a le tournoi de l'UFOAB. AB. on va en venir à cette euh, compétition. justement. voilà, c'était les deux compétitions. Et cette année, donc, euh, il y a eu le tirage hier donc de la Cannes senior en 2020, donc le Niger va participer. Et il y aura aussi donc la participante donc de U17 donc à la Coupe du Monde. Mhm. Nous allons marquer une petite pause, le temps de poursuivre cette émission. Alors, euh, Madame euh, Amina, présidente de la commission de football féminin du Niger, euh, les gazelles du MENA ont participé dernièrement au tournoi de la Coupe IFOA Zone B à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces gazelles qui étaient à la deuxième fois à cette compétition, on l'a vu, n'ont pas brillé, si on peut le dire, sur le terrain. Elles ont encaissé au total 32 buts durant ce tournoi sans en avoir marqué un seul but. Que doit-on comprendre de cela Est-ce un manque de préparation Bon, on ne peut pas parler de manque de préparation. Mais seulement, il faut se dire que les équipes qui étaient euh, nos adversaires ont plus de 20 ans d'expérience dans la partie du football féminin. Mhm. Or, nous, dit que le début, c'est en 2016, vous où il y mhm. avait donc de la avant que ça soit maintenant l'équipe, comme tu dis, Gazelle. Donc, il n'y a, même pas de truc, mhm. de comparaison à faire par rapport à ces équipes-là c'est pas possible. Il y a l'expérience. Voilà. 20 de pratique le football, je pense que c'est pas c'est pas deux jours d'expérience. Mm-hmm. Nous, nous sommes des des petits, des mm-hmm. petits poussins, mais qui, avec les entraînements, avec la volonté, avec l'engagement, comme vient de dire notre ma, ma, soeur, je pense qu'on peut y arriver. Et on va arriver, Inch'Allah. Euh, mademoiselle Rahina, qu'est-ce que vous pouvez dire donc euh, sur votre dernière participation à cette Coupe euh, IFOA Zone B d'Abidjan Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, vraiment, c'est d'encourager les jeunes filles à venir jouer le football. Oui, par rapport à votre... Vous étiez à Abidjan Oui, Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre compétition Comment ça a été Vraiment, ça n'a pas été facile parce que ce sont des joueuses qui, à 90%, sont des joueuses professionnelles mhm. qui elles jouaient à l'Europe. Donc, euh, puis, elles... Vraiment, on n'a pas le même niveau. Mhm. Parce que nous, ici, les joueuses qu'on a amenées là-bas, ce sont des débutantes. La majorité d'entre elles, ce sont des débutantes. Donc, euh, et puis, ce sont des enfants. Et de retour de cette euh, compétition, qu'est-ce que vous faites vraiment pour améliorer vos performances Parce que si on peut le dire, c'est une leçon que vous avez tirée de, cette Coupe UFO à Zone B. Qu'est-ce que vous faites pour euh, améliorer vos performances non, chaque fois, c'était vraiment de l'expérience pour nous. Mais cette fois-ci, on essaie vraiment de beaucoup travailler plus fort pour vraiment être à la hauteur, mhm. pour faire mieux que ce qu'on avait fait avant. D'accord. Madame euh, Amina, je reviens vers vous. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, au niveau de, la commission ou bien de la fédération, qu'est-ce qui est fait vraiment pour permettre à ces jeunes d'améliorer leur euh, performance pour vraiment euh, bien représenter le Niger lors des compétitions internationales, nationales et internationales même. Mais c'est le travail, comme elle venait de dire, c'est le travail. Mm. Donc, depuis le retour de l'UFOAB, donc les filles, avant que l'on prenne, ont pris l'engagement de aider donc, ces filles à améliorer le niveau. Et ça fait trois mois qu'elles sont en train, chaque soir, donc trois jours par semaine, sont en train de s'entraîner depuis le retour. Mm. Parce qu'on a pris conscience qu'effectivement, il y, a seul le travail payé. Mm-hmm. Donc le fait qu'elle revienne et que chacun aille dans son club, on a dit que ça ne, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il y ait un regroupement durant la semaine pour préparer les différentes compétitions. Et c'est comme que qu'on est en train de faire. Effectivement, effectivement c'est le travail. parce qu'au niveau, des entraîneurs, le club, entraîne peut-être une fois mm. dans, la, semaine. Or là, il faut effectivement qu'un travail de fond mm-hmm. se fasse au niveau donc, de l'encadrement national. Et mm. c'est que l'international est en train de faire présentement. Est-ce qu'il y a des championnats qui sont organisés ici au niveau national Elle participe à des championnats nationaux ici Oui, les club participent. La dernière fois, il y a le championnat senior 2018. Euh, donc, il y aura la deuxième session, donc de, la deuxième édition mm -hmm. qui le tour éliminatoire donc, au niveau des régions en décembre. Mais indépendamment de ça, il y a la Coupe UNICEF donc, qui concerne les U17. Et c'est une compétition qui s'est faite, ça fait deux ans, et tant que l'UNICEF est en train d'appuyer la fédération pour l'organisation donc, de tournois féminins. Oui, est-ce qu'elles font face à certaines euh, difficultés, certains problèmes On sait qu'effectivement, pour une fille, ce n'est pas facile, vous l'avez eu à dire. Même le déplacement, parce qu'elle s'entraîne au niveau du centre technique même le déplacement n'est pas facile pour ces filles pour qu'elles reviennent rejoindre donc l'appel de l'entraîneur. Mhm. Bah, donc, il faut que les gens par par-là. D'abord, c'est de face l'entraîneur. Je lui redonne la parole. Mademoiselle Rahina, personnellement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, personnellement En tout cas, le problème, c'est surtout le déplacement. Parce que ce sont il y a des, élèves parmi les joueuses. Mhm. Donc, euh, c'est surtout ça le problème, le déplacement le déplacement. Tu viens, tu t'entraînes, tu t'épuises, tu rentres à la maison, tu n'as rien. Donc tu jongles, jongles même chercher les frais de taxi là, c'est vraiment un problème. Oui, au tout début, vous avez fait cas de vos parents qui ne voulaient pas que vous jouiez au, football. À la date d'aujourd'hui, est-ce que actuellement euh, ils sont d'accord <laughs> Comment ça se passe avec vos parents actuellement Vu que vous êtes euh, dans une équipe euh, nationale du Niger. Oui, bon, maintenant, vraiment, ils ont tout compris maintenant. Mhm. Comme avant, j'étais petite. Donc maintenant, je suis devenue une grande fille. Mhm. Donc maintenant, c'est même mes parents qui m'encouragent. Oui, ok. Maintenant, ça va. Madame Aïsata, euh, vous êtes la secrétaire générale de la Fédération du handball. Le sport féminin, on le sait, a toujours rencontré des barrières pour avoir autant de visibilité que le sport masculin. Au niveau de votre fédération, quelles sont, si on peut le dire, les difficultés auxquelles vous faites face actuellement les difficultés pour la pratique euh, sportive chez la femme sont les mêmes au niveau de toutes les fédérations sportives. Mhm. D'abord, comme vous avez dit, les préjugés sociaux, ils sont là effectivement. Et au niveau, comme l'a dit Rehina, au niveau des parents, il faut mhm. d'abord une détermination des parents. Quand les parents n'accompagnent pas les élèves et les enfants pour faire le sport, ça va être difficile. Mhm. Donc chez nous, quand on a des activités ou bien quand on a des déplacements, D'abord, au niveau des établissements, on initie des correspondances pour demander des permissions d'absence. Mhm. Et au besoin, on crée un petit comité qui se déplace vers les, les familles mhm. pour partir demander les permissions au niveau pour les filles. Donc maintenant, ce qui fait que maintenant, au niveau de notre fédération, on a même ces, affinités entre nous et les parents des, des jeunes filles. Pour la plupart de leur ensemble, ils n'ont pas cette réticence-là. Mm. Mais quand même, il y a quelques-unes encore où, dans les familles, c'est pas facile. Hein. Il y a une au championnat d'Afrique, là, sa maman nous a catégoriquement refusé. Elle, elle, a empêché. Elle est venue à l'internat pour retirer sa fille. Malheureusement, elle n'a pas pu participer. La fille, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle Et puis, elle est une très bonne joueuse. Elle joue et puis elle est gardienne aussi. Mais on crée le plus souvent un petit comité de 3-4 personnes dans lequel il y a une femme. On va vers les parents, vers les familles pour leur expliquer, pour leur dire que nous-mêmes, nous sommes des parents. Mhm. Nous-mêmes, nous avons des enfants qui ont l'âge de, de leur enfant. Là. Donc, on ne va pas entraîner quand même les enfants à aller dans la débandade. Mhm, mhm. Il y a certains parents qui comprennent, ils acceptent, d'autres par contre ils sont encore réticents. Mhm. Mademoiselle euh, Regina, parallèlement, qu'est-ce que tu fais d'autre euh, dans ta vie à part le football Tu es étudiante, tu es élève Oui, j'étudie. Institut. Mhm. Et le football, ça n'entrave pas tes études pas tellement. Mhm. Comment tu t'arranges études euh, football Moi, Vraiment, j'essaie de gérer ça. Parce que, bon, avec le football, il y a aussi parfois la fatigue, mais je trouve le temps de me reposer. Mhm. Il y a le temps d'entraînement, le temps d'aller à l'école et le temps de repos. Moi, j'analyse la situation, quoi, ça va. Le, le, le sport n'empêche pas les études, vraiment. D'accord. Ok. Madame Amina, toutes ces jeunes euh, de l'équipe euh, Amina, euh, la plupart d'entre elles sont des élèves, des étudiantes la plupart sont des élèves. <coughs> Mhm. Tous sont des élèves, il y a des élèves, il y a des étudiantes. Et vous n'avez pas eu à faire face à des parents qui, qui veulent empêcher leur enfant de jouer Vous n'avez pas eu à faire non, face Pas du tout. Souvent, mhm. on avait demandé aux filles de, donc, de donner. Si leurs parents donc, leur empêchent de venir, donc nous, on sommes pas, on pourtant garants pour aller les voir, discuter avec eux, échanger. Mhm. Mais en tout cas, euh, pour le moment, on n'a pas eu à faire face à ce genre de situation. Et à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de créer d'autres clubs des jeunes filles vraiment pour les initier au football ici au Niger Est-ce que vous, avez vous envisagez cela la, politique de la fédération, c'est de faire le football à la base. C'est un projet que nous allons initier. Il y a déjà le projet aux jeunes qui va nous aider, effectivement, qui est en train donc de faire donc, le football aux primaires, donc, en mixant filles-garçons. Mhm. la fédération donc, va prendre en charge maintenant peut-être les, les régions qui ne sont pas concernées par ce projet il y a à prendre ces, différentes régions. Donc maintenant, c'est le football à la base. On ne peut pas avoir euh, donc, euh, le résultat escompté qu'on veut tant qu'il n'y a pas un, football de base. Donc il faut mhm. qu'on initie les jeunes filles dès le primaire à pratiquer le football. Et ça que, en tout cas, la nouvelle politique donc, euh, la fédération veut mettre donc, en pratique. Est-ce que l'équipe a une, une coupe qu'elle a pu remporter On a remporté le tournoi Tifo. Tifo. Là moins on a remporté une première fois le tournoi Tifo. Mhm. C'est le seul. Euh, C'est le seul trophée pour le moment. Pour le moment. <laughs> Donc on espère que euh, à l'avenir euh, il puisse remporter autant de trophées. Nous allons marquer une autre pause avant de poursuivre cette émission. Comme je le disais, le sport féminin, on le sait, a toujours rencontré des barrières. Euh, Madame Amina, dites-nous selon vous, qu'est-ce qui bloque réellement le sport euh, féminin ici au Niger Qu'est-ce qui bloque réellement le sport féminin Moi, je pense, euh, en fait, ça, ça, à deux niveaux. Hein. Le premier niveau, c'est que les filles même n'aiment pas le sport. En fait, c'est mon constat. Les filles n'aiment pas pratiquer le sport. Ça, Et le mhm. deuxième niveau, effectivement, les parents se sont réticents à laisser les filles jouer au football, ou à tout, sport, enfin, tous les sports confondus. Mhm. Parce que c'est disent que euh, le sport, c'est un truc de garçon, le football. On donc, c'est le lieu de la débauche. Donc pour eux, si on laisse les filles aller jouer, donc en fait, il y aura une déviation euh, donc, de leur éducation. Mhm. Alors qu'au contraire, moi, je pense que ça, euh, au niveau du sport, ça leur permet effectivement peut-être d'éviter ce qu'elles veulent là, ce que les parents pensent qu'elles vont aller là. Parce que sait que c'est le bon sport. Mhm, on sait mhm. que le sport, c'est un calendrier. On sait que c'est à 16h, de 16h à 18h. Mhm. Maintenant, vous dites aux parents, c'est à partir de 18h. Maintenant, si l'enfant ne revient pas à la maison, vous interpellez les entraîneurs, l'encadrement technique donc, des équipes. Moi, je pense que c'est la seule solution. En fait, c'est deux niveaux. Hein. Les filles n'aiment pas, les parents sont là. Donc maintenant, c'est sur ces deux niveaux-là qu'il va falloir jouer. Amener les filles à venir au sport. Voilà, Madame Aïssata, vous voulez ajouter quelque chose Je vais compléter en plus des deux points qu'elle a cités. Peut-être je dirais qu'il y a encore le manque de moyens que l'État doit investir dans le sport. De la même manière qu'on investit dans l'éducation et la santé, il faut mettre le moyen dans le sport. Parce que mhm. le sport, sans les moyens, ça ne peut pas marcher. Mhm. Vraiment il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens au sport pour s'attendre à des résultats. Mhm. Et puis, euh, le fait que le sport ne marche pas, c'est des préjugés sociaux, c'est des considérations personnelles. Mhm, mhm. Parce que moi, je ne vois aucun verset de, <laughs> du Coran qui a dit de ne pas pratiquer le sport. Au contraire, il y a même un verset dans lequel on a dit euh, la, course entre le prophète Mohamed alayhi et son épouse Aïcha. Donc, on ne peut pas dire que nous, on n'est pas autorisé. Les gens interprètent mal. Moi, par exemple, j'étais enseignante d'éducation physique. Deux ans après que je commençais à travailler, je me suis mariée. Mais déjà, des enfants sortent pour me dire <laughs> des trucs comme ça. Tout ça là, si j'ai pas un engagement ferme, je ne pouvais pas continuer. Pourtant, présentement, je me mets en secrétaire, je vais au terrain. Mhm. Ça ne me dit rien. Il faut personnellement combattre les préjugés. Oui, il faut vraiment en soi-même, il faut combattre ses préjugés. Mhm. Parce que quand tu arrives à combattre, à surpasser, tu vas convaincre ton environnement, tu vas convaincre ton partenaire mhm. et, c'est fini, ça va partir et tu auras une belle carrière. Mhm. Mais tant que toi-même, tu peux pas convaincre quelqu'un pour lui dire que c'est pas le sport là qui va faire en sorte que j'aurai une autre vision, ça ne peut pas marcher. Mademoiselle Rahina, euh, est-ce que tu fais face à ces genres de préjugés dans ton entourage Oui ça, ça a toujours été ainsi. Mhm. Parce que parfois, quand tu portes le maillot, les gens, les gens te critiquent. Ils vont tout dire sur toi. Comme c'est que madame, vient de mhm. voilà, voilà, voilà, le, sport là, c'est pas pour la femme. Tout ça, quoi. Mais nous, on les écoute pas. on a un objectif, euh, on veut. Et quand on veut, on peut. seulement on écoutait les gens là mhm. on va pas pratiquer le sport. D'accord. Le football, tu es dans le football depuis 2007, c'est ça Oui. Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie oh, Un peu de choses. Comme quoi <laughs> Seulement le problème en est que depuis que j'ai commencé à jouer le football, on a remporté seulement une coupe. Une coupe, oui. Voilà. Mhm. Donc, euh, c'est seulement ça le problème. Sinon, si à chaque fois on gagnait là, on <laughs> amène des coupes, au moins ça va. Quand même, vous espérez qu'un jour, euh, oui, que ça ira. Voilà, Inch'Allah, un beau jour, on l'espère quand même. Est-ce que euh, actuellement tu n'es pas mariée Non, non. Est-ce que Ok. Est-ce que même après le mariage, tu envisages de continuer le football Mais parfois même quand on veut, on ne peut pas. Mhm que le mariage, là, le mariage est unique. Donc, euh, <laughs> tu te maries, bon, je sais pas. tu peux au moins pratiquer le sport pour ta santé. Mm pas Ne pas laisser tout tomber, quoi, mais au moins pour ta santé. Voilà. Merci, mademoiselle Regina. Euh, madame euh, Amina, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous au niveau de votre fédération, qu'est-ce qui doit être vraiment fait pour vraiment améliorer la performance de ces jeunes filles, la, la performance physique, tout ça de, de vos sportifs Qu'est-ce qui doit être encore fait Ce qui doit être renforcé, c'est <clears throat> d'abord les entraînements, les matchs amicaux au niveau international. Mm. Tant qu'il n'y a pas de match, tant que nous allons rester à nous entraîner sur place, ça ne peut pas aller. Ceux qui ont des performances là, c'est les matchs amicaux. Il faut que les filles puissent échanger, compétir Mm-hmm. avec donc les, les autres équipes au monde de la sous-région. Mm-hmm. Ça peut un peu relever leur niveau. Donc il faut améliorer. En fait, c'est ça qu'il faut améliorer donc, euh, au niveau donc, de ces filles-là. Et aussi créer des centres. besoin de créer des centres. Il nous faut des petits centres de football féminin. Peut-être une académie. Je pense que la fédération doit l'avoir dans son viseur, une académie pour le football féminin. Mm-hmm. Et là, je pense que ce sera le, grand déclic pour le sport au Niger. Mhm. Tant que nous avons ça, je pense que tous nos problèmes seront résolus. Et quel conseil euh, aux jeunes footballeuses bah, <laughs> Le conseil, ce n'est pas se décourager. Et aussi, il y a quelque chose, j'ai vu que les enfants ont vite mis l'argent devant. Mhm, mhm. Oh, il faut travailler pour mettre l'argent. Mais elles mettent l'argent devant. Tant qu'il n'y a pas d'argent, elles ne vont pas aller. Or, ce n'est pas bon. ce que je suis en train de voir, c'est qui est en train de m'inquiéter maintenant. Effectivement, les filles s'accrochent à l'argent elle va vite, vite, donc les ressources, donc tu joues, tu ne vas même pas aux enterrements tant qu'on ne n'as pas l'argent. Et ça, ce n'est pas bon. Hum, hum, hum, Il faut monter ta capacité. En ce moment, donc, les enquêteurs vont se dire, bon, effectivement, cette fille, bon, dès maintenant, vous n'êtes pas professionnel, vous voulez de l'argent. Et tant que cette barrière-là n'est pas cassée, de vouloir mettre l'argent devant au détriment donc du, football. Je pense que c'est le grand problème auquel nous risquons d'être confrontés dans les jours à venir. Madame Aïssata, que faire davantage pour donner une meilleure visibilité du sport féminin au Niger Que faire davantage Dans un premier temps, il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Ensuite, l'État doit s'investir en mettant, euh, en les moyens mhm. suffisants et mhm. d'autre part, au niveau de fédérations sportives, ils doivent créer, à l'image de, de, la FENIFOOT, des commissions de développement du sport féminin, mhm. de leur discipline. Mhm. Donc, on sait bien que et les filles et les garçons sont pris en compte, mais quand même, quand il y a ces commissions-là, peut-être il y aura une spécificité qui va favoriser un peu la femme. Mhm, mhm. Donc, et puis peut-être demander les filles, les sensibiliser à s'engager personnellement. Comme le dit Rina, vouloir c'est pouvoir. Hein. Mhm. Si elles s'engagent, si elles ont l'amour elles-mêmes, donc ça peut marcher. Alors, Rina, je termine avec vous. Quel, euh, un mot pour tes amis euh, sportifs Oui, c'est juste euh, un encouragement. vraiment, aussi comme Madame l'avait dit, l'État doit mettre vraiment le maximum de moyens possibles pour euh, le développement du sport féminin au Niger. Mhm. si on les encourage, peut-être qu'un jour, ça, va aller. D'accord. Oui, vous voulez ajouter quelque <laughs> chose D'accord, oui, C'est l'occasion qu'on a. Je vous ai dit qu'il y a eu le tirage donc de la Coupe la Cannes Senior 2020. Mhm. Donc, nous allons rencontrer le Togo donc, au plus donc nous sollicitons aussi, parce que votre contribution aussi, mhm. pour nous encourager. Et donc, euh, dans le. Dans, pour une, meilleure visibilité, Pour une meilleure visibilité du football féminin. Vous êtes des femmes, <laughs> vous savez, nous de la radio, je pense, on a besoin de votre concours pour cette visibilité-là. Merci voilà. vous. Et donc, euh, chers euh, auditeurs et auditrices, nous sommes au terme de cette émission et à travers les interventions de nos invités, vous l'avez entendu, le manque de moyens est le principal facteur qui freine le développement du sport féminin au Niger. Il faut donc l'investissement de tous pour que vraiment ce sport puisse se pérenniser. Il faut également l'engagement des jeunes femmes sportives pour vraiment euh, mettre de l'avant le sport féminin au Niger. Et c'est ici que prend fin cette euh, émission. Nous étions dans ce studio avec euh, Madame Amina Moussa. Elle est la présidente de la commission de football féminin du Niger. Merci Madame d'être venue. Madame Isaka Aissata, la secrétaire générale de la Fédération de handball, était également avec nous. Merci d'être venue. Mademoiselle Rahina, euh, elle est la capitaine de l'équipe nationale du MENA Niger, l'équipe nationale féminine MENA Niger. Merci d'être venue. À la présentation, c'était Nafis Adamou. À la technique, Amina Hassan. Merci à vous et à très bientôt pour une autre thématique sur le studio Kalango.